Moi, je pense que vouloir. <laughs> bon, ben, c'est parti. Ma nous la bienvenue dans Discussion Noyo, saison 2, épisode 8. Voyage en local, quelques mots, et le voyage commence. Pour cette nouvelle discussion, nous sommes avec euh, une jeune femme que euh, j'apprécie beaucoup parce qu'elle a un très bon regard euh, d'entrepreneur, entrepreneur sur le côté business, euh, et euh, Et du coup, euh, nous allons faire un unboxing de, euh, de, de quelques produits qu'elle a pris sur le site, ce qu'elle a pris dans la boutique en ligne. Yes. bon tu vois, euh, bah, Rosely, merci de me recevoir. Hein. Avec grand plaisir. Très plaisir. J'ai commandé du coup sur le site, je suis en train d'ouvrir l'enveloppe en même temps. <laughs> Là, on a du live. Ouais, vous entendez l'enveloppe le... qui se déchire, le petit son. Alors, voyons voir ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu set de table. Ah, super. Super contente. Yes. Yes. Là, j'ai mon set de table et plastifié et tout. Là, donc, du coup, sur le set de table, qu'est-ce que je vois C'est une carte de. Euh, J'en ai deux en fait. J'en ai un qui est plastifié. Oui. Et l'autre euh, qui est, euh, qui est en, en, feuille euh, A4 normale. C'est bien ça. Et du coup, et du coup alors je vois quoi la République dominicaine, Cuba. Du coup, c'est bien ça, c'est que tu avais commandé donc un set de table Caraïbes, dans lequel euh, mhm. d'un côté tu as la carte d'Haïti et de l'autre tu, as la, tu as la carte de la Caraïbe. Oh, et donc, de deux côtés, euh, il y a l'alphabet créole officiel. Et des mm -hmm. deux mhm. côtés aussi, euh, tu as différents QR codes Donc, du côté Haïti, tu as des QR codes euh, avec des, jouets, des jeux, ce qu'on appelle jouettes. Mm-hmm. Et euh, donc, c'est des jeux euh, avec euh, des proverbes, des ressources économiques d'Haïti. Donc, il y avait beaucoup mhm. d'images dans ce deuxième jeu. Et un troisième jeu encore avec euh, des, euh, des, proverbes à donc Donc, voilà, oh. donc tu passes ton téléphone, enfin, tu scannes en fait avec ton téléphone le mhm. QR code. Et ensuite, tu peux accéder à chacun des jeux. Donc ça, c'est du côté ah, IT. Euh, c'est excellent parce que du coup, ça fait une carte euh, interactive un petit peu. C'est ça. Ouais, c'est pour ça ah. parce que ça s'appelle euh, Deux soupla mele mêlée. C'est bien ça. C'est euh, le côté interactif. Euh, voilà, donc euh, on, peut lui, on peut autant l'utiliser pour le côté décoratif que, que l'utiliser bah, pour justement avoir accès au jeu. Quoi. Voilà, c'est ce côté-là. Donc ça, c'est pour le côté Haïti et de, du côté Caraïbes. Tu as du coup trois QR codes aussi. Euh, d'un QR code pour envoyer un message, si tu veux, vers, euh, vers Voyageons Local. Tu as un mhm. code vers euh, le SoundCloud et tu as un code aussi vers euh, la Lassis Inbox. Euh, donc là, c'est un projet pour acheter en commun des produits haïtiens, donc qui, valo qui valorise Haïti et son patrimoine, plus exactement. D'accord, ok. Donc, donc ça, c'est pour le set de table. Et ensuite, tu as aussi commandé un livret de comptine Et en fait, c'est un direct continu à do it yourself. Donc, euh, c'est, euh, donc si tu vas faire un origami, tu vas pouvoir faire euh, l'origami de. Euh, tu vas pouvoir plier en origami ce, ce, livre, enfin ce livre de Et il y, a, y, a une vidéo sur YouTube euh, qui, qui, va t'aider à, à plier le livre en origami. Ah, c'est ça, l'autre feuille. Je me suis dit, ouais. est-ce que j'ai bien le livret D'accord, ok. Oui, ça. Donc, ça se plie comme un mini-livre. Et donc, c'est sur la vidéo, euh, il euh, y a une vidéo YouTube qui m'explique comment. Ouais, c'est bien ça. Comment le plier Oui. D'accord, ok. Et euh, moi, je me pose la question comment t'es venue l'idée de faire un, un set euh, de table comme ça <laughs> euh, bah, En fait, ça remonte à plein de choses. c'est que. Euh, et là, en fait, on, on, est en train de renverser l'interview. Hmm. Mais en fait, c'est <laughs> venu à cause de toi, notamment, parce que euh, le, le, livret origami, euh, bah, au début, c'était sur du papier recyclé, quoi. Euh, il y avait pas tout en noir et blanc, tout ça. Et puis après, euh, il est passé en couleur. Donc, il y a, du coup, il y a eu la carte et tout, et, euh, et avec la, la carte d'Haïti, avec l'alphabet. Et quand on en a discuté, bah, euh, tu m'as dit justement, voilà, ça t'avait bien aimé, et ça, j'avais kiffé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai continué un peu à, à, communiquer avec, à le distribuer et tout. Et, euh, et en fait, euh, c'est que très souvent, euh, les gens voulaient mettre un. Quand ils ont vu le livret origami, ils voulaient mettre, un, un, ils voulaient mettre un morceau de scotch, ils voulaient rescotcher la carte. Je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, on va écouter ce que les gens disent, <laughs> ce que les gens veulent. <laughs> donc, euh, donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire des sets de table, vraiment pour pouvoir l'afficher. Et, euh, et puis, euh, du coup, euh, parce que en fait, moi, c'est vraiment le côté, euh, je veux que ce soit, je veux pas forcément que ce soit affiché et que ça reste comme ça à pourrir dans un coin. Ce que j'aime bien, c'est quand on peut l'utiliser un peu n'importe où, n'importe comment et à toute, euh, à toute occasion. Donc euh, c'est pour ça que ce côté set de table, bah, on peut poser comme ça sur une table et vraiment bah, juste poser, ses, euh, poser ses, ses, couverts, euh, ses bouteilles dessus, ses verres et tout. Et autant, bah, si à un moment donné, euh, pendant le repas euh ou l'apéritif, euh, bah, on a envie de faire des jeux, on sort juste son téléphone et on se calme. Voilà. Oh. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est pas arrivé tout de suite les QR codes. Enfin, tous les QR codes ne sont pas arrivés tout de suite, au début, il y avait juste un QR code euh, vers le, euh, vers le blog. Et, euh, et puis après, c'était en discutant et puis, euh, puis en voyant bah, tous bah, les, les, différents, différents supports que j'avais pu préparer mhm. que euh, du coup euh, est venue bah, l'idée de, me, de, pourquoi pas mettre plusieurs QR codes, en mettre trois. euh Au début, j'en ai essayé cinq. Après, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. <laughs> et euh trois, ça passe bien, on peut bien les lire et, euh et voilà. Mais bon, en fait, du coup, on va revenir à toi. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, Parce que je me rappelle, j'ai, j'ai trop cette discussion-là en tête, où euh, bah, quand tu as vu le livre Origami, tu te dis Ah ouais, là, il faut le vendre. Il faut le vendre. Euh, et, euh, et, en fait, ce c'est pas simplement le côté de se faire des thunes, c'est pour le côté, bah, du coup, le côté euh, de, de partager, et puis même de se poser plus la question bah, comment on partage, que ce soit plus, que ça mieux compris, tout ça. comment toi, ça t'est venu enfin, Qu'est-ce qui t'a qu parlé, en fait, quand t'as vu le livre origami, et puis là, quand tu le vois là, en fait Quand tu vois, les, quand tu de table et, euh, et tout ça bah, tu vois, euh, ce qui est fun, c'est qu'on s'est vu quoi On s'est vu il y a un an, pratiquement. Ouais. ouais. C'était euh, l'année dernière. Et, euh, et, ouais, on parlait comme ça. Et puis tu m'as montré, montré ton livret. Mm -hmm. Puis je mm-hmm. me suis dit, mais c'est dommage que ce soit plié comme ça au fond d'un sac parce que Tu vois, moi, j'adore apprendre euh, les langues, tu vois. Ouais. J'apprends plein de langues. La langue dernièrement que j'ai appris, c'est le... Ah, le néerlandais Le néerlandais, <laughs> ouais, oui. que j'ai euh, utilisé juste pour un concours. Je ne parle pas encore couramment, tu vois, mais... Ouais, et ça, j'adore d'ailleurs. Et, euh, et j'ai appris pour l'occasion, tu vois. Et puis, ouais. et puis là, je te vois, en fait, avec, euh, avec cette connaissance, si tu veux, dormante, dans ton sac à main, tu vois. <laughs> Toujours à dispo, quoi. Ouais, et tu vois, euh, et puis le petit livret, j'ai trouvé ça excellent parce que la première fois que j'avais un petit livret comme ça, c'était euh, à l'école de ma fille. Ouais. Euh, à l'école, ils avaient fait des petits, des petits livres et j'avais trouvé le concept intéressant. Mmh. Et donc, mélanger le petit livre avec l'apprentissage de connaissances, le fait de promouvoir une culture, je trouve ça, je trouve ça super, tu vois. Et je me dis, mais euh, une démarche comme ça, c'est elle est, elle est, elle est née pour être cette démarche, elle est née pour être partagée, tu vois. Ouais. donc après, euh, bien entendu, avec tout le taux de business et tout que je regarde, euh, les formations et autres que je fais, ben, très clairement, ça, c'est pour moi, c'est euh, un petit produit qui est sympa et que pour moi, euh, tout le monde devrait avoir, euh, avoir tu vois, mhm. euh, tout le monde qui s'intéresse ou pas, de près ou de loin à la culture haïtienne, on devrait au moins avoir ça, ça permet rajouter un petit peu de couleur euh, <laughs> dans, son, dans, son, sac à main et dans son assiette aussi, tu vois, <laughs> par rapport oui. table. Que je n'avais ouais. jamais imaginé euh, en version set de table. Et tu vois, là, je regarde ton set de table. Hein, mm -hmm. Et euh, chose que je n'avais pas vue l'année dernière, tu vois. Et là, je me dis, mais j'aurais adoré euh, avoir la même chose pour d'autres langues, tu vois. Pour, euh, pour le portugais, l'espagnol euh, ou, ou, encore d'autres langues, pour juste ouais. la voir devant les yeux, tu vois. Moi, j'adore les cartes comme ça. Mm -hmm. euh, je sais pas si, si tu es déjà allé dans, dans les stations-service, tu sais, ils vendent des grandes quatre, euh, cartes euh, format A5 ou, euh, ou, non, un format A3, je crois. Ouais, c'est plutôt du format comme cartes, ça. Ouais, euh, ouais euh, plastifiées pour les enfants, tu sais, pour apprendre sur le corps humain, soit la, la, conjugaison, des choses comme ça, tu vois. Mm. Et donc, du coup, moi, j'en ai acheté plein. <laughs> Oui, parce que c'est bien le côté visuel, et euh, ce côté visuel, simple, accessible, et puis euh, bah, à un moment donné, c'est entre guillemets les bases, on va dire. On va, pour, enfin, pour certains, c'est des bases, d'autres, c'est des rappels, et c'est quelque chose euh, qui se fait simplement, en fait, du coup. Mm. C'est pour ce côté-là. Euh, ouais, carrément, carrément. Euh, là, j'essaie, tu vois, de, de visualiser mes, euh, mes enfants avec ça, et tu vois, c'est très simple, tu vois, tu prends en main, et puis tu leur montres Euh, au moins la carte, c'est jamais avec le fait, le concept que la carte soit au centre, tu vois. Ça te mm -hmm. permet en fait d'avoir le contexte et, euh, et autour d'avoir euh, d'avoir les bases en fait, donc l'alphabet, les, les bases de la langue, tu vois. Donc ça j'aime bien. Et là, il y a le livret avec les poèmes. Et ce que je verrais, tu vois, c'est euh, peut-être, je sais pas si ce sera un livret ou, euh, je sais pas, des, des, phrases les plus, les plus parlées ou alors ou des petites phrases euh, contexte, tu vois. Euh... Ouais, c'est vrai que j'avais cette idée-là aussi là, pour un, nouveau, un nouvel article, mais c'est quelque chose qu'on voit déjà sur, sur d'autres sites en fait. Il y a des sites euh, qui mm. proposent justement bah, du coup d'avoir les bases comme ça euh, sur euh, bah, les phrases qu'on entend le plus ou les phrases pour pouvoir commencer une, une discussion. On peut le voir, euh, j'avais vu sur, j'ai dû voir sur Babel, sur un autre site dont, dont j'ai plus le nom là en tête, et aussi sur des sites comme Potomitan et d'autres sites encore. Et, euh, et ça, du coup, bah, j'ai une idée d'article là-dessus à développer, mais euh, pour l'instant, effectivement, c'est pas des choses que j'ai faites. Ça m'a aidé, c'est vrai, mais c'est mm. pas des choses que j'ai trop développées parce que c'est comme c'est déjà fait ailleurs. Moi, je voulais mm. surtout euh, axer sur des choses que, euh, bah, du coup, euh, que, bah, que, j'avais un peu moins vues et que j'avais quand même partagées et qui étaient intéressantes aussi euh, pour, euh, bah, pour évoluer, partager, tout ça, quoi. Parce qu'effectivement, moi là, ce que, comme tu disais, là, pour euh, le côté euh, portugais et tout, ou euh, même le néerlandais, ou même, euh, bah, apprendre, de, même pour apprendre pour l'anglais, ou, euh, ou apprendre euh, le swahili ou l'ingala, mm. c'est ce côté-là, c'est que là, moi, j'applique cette méthode d'apprendre par l'action avec le créole, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire avec deux langues, tout à fait. Peut, parce que c'est ce qu'on fait déjà avec l'anglais, le fait de pratiquer, mm. d'essayer des choses. Et, euh, et, puis après, effectivement, on pourrait très bien le faire, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, avec euh, du portugais, du swahili, du lingala. Euh, c'est euh, là-dessus, ouais, on se rejoint. Enfin, dans l'idée, vraiment, on se rejoint, quoi. On se rejoint vraiment là-dessus. Carrément. Et tu vois, comment dire C'est pas que ça. Tu vois, la plupart des gens, quand, quand je discute avec eux, ils me disent voilà, pour apprendre une langue, le mieux, c'est d'aller dans le pays directement. Il n'y a pas que ça. Et je me posais la question. tu vois, je me dis mais pourquoi les gens pensent qu'il faut aller dans le pays pour pouvoir apprendre la langue. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, mmh. on peut apprendre la langue de n'importe où, t'es pas obligé d'aller dans le pays, tu vois. Ouais, ouais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Parce Et du coup, ouais, ouais dis-moi. Ouais, parce qu'en fait, moi, c'est ça aussi le nom du blog, c'est euh, Voyage en local, quelques mots et le voyage commence. C'est que le voyage, il commence d'abord avec les mots, en fait. C'est pas simplement d'aller, enfin, entre guillemets, c'est d'aller, y aller. c'est euh, quelque chose d'important, c'est une bonne chose. Mais euh, elle est vraiment le voyage essentiel, c'est quand tu prends les mots, c'est vraiment c'est comme dans la tête en fait. C'est vraiment quand tu, dans, dans, quand tu penses, dans ta manière de voir les choses, c'est là que tu fais vraiment le voyage et que tu peux vraiment avoir cette immersion. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est souvent ce que les gens pensent, c'est ce que les gens euh, vont mettre en avant quand tu vas voyager. Et en disant, bah voilà, c'est le côté, t'es en immersion, t'as pas le choix. T'as pas le choix, donc t'es obligé de parler, t'es obligé de t'adapter. Alors que bah, on peut très bien apprendre, comme tu l'as dit, on peut très bien apprendre une nouvelle langue bah, depuis chez soi, quoi, n'importe où, en local. Carrément, carrément, tu vois. Et puis je me pose la question, je me suis dit pourquoi on arrive à apprendre une langue euh, plus facilement qu'une autre, tu vois. Et euh, dernièrement, j'ai un ami qui m'a proposé d'apprendre le, le grec. Ok. Je lui ai dit. Euh, je le grec moderne ou ancien Non, non, le grec, euh, genre moderne. Lui, il est grec. Tu vois, il a vécu en Grèce jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Et là, il est en France, tu vois. Il a, il a une vingtaine d'années, 28 ans, comme ça. Donc, ça fait 10 ans qu'il est en France. Okay. Donc, lui, il parle grec couramment. Donc, lui, il veut apprendre l'espagnol et il m'a proposé à moi d'apprendre le grec, tu vois. Okay. Je dis, ok, je commence à, à, regarder des vidéos YouTube et tout pour apprendre le grec. Et, et je sais pas, j'ai du mal à accrocher, tu vois. Je dis, tiens, il, il manque un truc, pourquoi j'accroche pas Et, euh, et je me dis, tiens, je pense, j'ai envie de me remettre au néerlandais. Et en fait, mm-hmm. au néerlandais, euh, quand j'apprenais le néerlandais, je suis tombée sur une page YouTube qui s'appelle euh, Bart de Pau. Et si tu veux, il a des petites histoires animées ouais. d'un, d'un homme qui s'appelle. Euh, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, bref, il y a un homme et euh, une, une, prof de néerlandais. Et donc, du coup, tu vois un petit peu euh, Euh, le fait qu'ils deviennent amis. Puis à un moment donné, euh, lui, il est amoureux d'elle, mais il n'ose pas lui dire. oui Et euh pendant, le, pendant un cours euh, d'un un bootcamp à la campagne et tout aux Pays-Bas, tu as des élèves en fait qui lancent une rumeur euh, sur, euh, sur la prof ouais. en disant que, euh, que le garçon, l'homme en question va épouser la prof. Et mmh. en hmm. fait, le problème c'est que le mot épouser et le mot être amoureux se ressemblent. D'accord. Du coup, en fait, ils lancent cette petite polémique où ils sont persuadés qu'il euh, va lui faire sa demande en mariage, alors qu'elle, elle n'est pas du tout au courant, elle est juste amie avec le gars, quoi, tu vois. <laughs> Et, euh, et, je m'étais arrêtée là-dessus parce qu'après, il fallait que j'apprenne mon discours et pour faire le discours. Mais là, par exemple, j'ai envie de. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé après, tu vois. <laughs> ouais, parce que pour le coup, t'as as vraiment bien accroché. Enfin, là, je veux dire, t'as vraiment la la l'histoire. On sent que tu as bien compris. Euh, je sais pas, c'était sous-titré C'est sous-titré en anglais. Ah, d'accord. Ok. Donc, euh, donc je réécoute l'histoire, puis après je réécoute et j'entends plusieurs mots. Docent, par exemple, ça veut dire professeur, tu vois. Mm -hmm. euh, donc j'entends les mots et tout, et euh, parfois ça va un peu vite, mais mm -hmm. en gros, c'est fait pour t'apprendre la langue au fur et à mesure, tu vois. Mm -hmm. Ouais. qui font des, des, répétitions exprès et tout, euh, qui sont qui se retrouvent pas naturellement euh, quand tu parles à quelqu'un, mais ils arrivent à intégrer ça facilement. Pour, euh, par exemple, aujourd'hui, on va, on va parler euh, du pronom, tu vois, pronom, je, euh, tout ça, etc. Il va te faire mmh. intégrer cette notion-là, mais dans une conversation ou dans une situation tout à fait normale. Ouais, c'est mis en situation, quoi. C'est ça, les deux amis vont au bar ou alors ils vont, ils vont cuisiner un truc, tu vois, il y a cette situation-là, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, mais pourquoi le, le néerlandais me manque tu vois. Parce que j'ai dû faire une pause parce que en fait, j'avais très très mal à la tête. Euh, et c'est aussi la particularité quand tu apprends une langue qui est vraiment diamétralement opposée à, à celle que tu connais, ça te demande un effort mental. C'est la oui. première fois en fait que j'ai senti mes neurones carrément bouger dans la tête. Tu vois. euh, <laughs> ah ouais, euh, c'est Ça fait très très mal, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui Donc j'ai arrêté pour des raisons euh, mentales, tu vois. Et là, j'ai envie de reprendre. Et je me dis, mais pourquoi ça me manque Je dis, ça me manque parce que je me suis attachée au personnage de cette petite série. Ouais. Tu vois c'est une petite série en dessin, euh, en dessin animé qui est faite avec un logiciel type euh, Animator ou, ou d'autres trucs que tu peux trouver sur Internet, tu vois. Donc, c'est les mêmes bonhommes et tu les fais parler, tu rajoutes le texte euh, dessus après, tu vois. Mm -hmm. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que pour pouvoir aimer une langue, pour pouvoir t'intéresser à la langue, il faut une connexion émotionnelle. Et du coup, ouais. le fait d'aller à l'étranger et de rencontrer des gens, ça crée une, une, connexion émotionnelle avec des personnes que tu pourrais rencontrer. Par exemple, ceux qui apprennent rapidement des langues, c'est ceux qui, par exemple, leur conjoint ou conjointe euh, a une langue euh, différente de la, de la, leur, tu vois. Donc, ils, ils sont forcés d'apprendre pour pouvoir communiquer avec l'être aimé. Et donc, du mm -hmm. coup, mhm. là, quand je regarde euh, tes cartes et, et, les livres, je me dis, ok, comment créer une connexion émotionnelle avec, euh, avec la langue Bien entendu, euh, bah, moi, je suis chanteuse, tu vois, donc il y a la musique. Euh, quand j'ai appris le portugais, la musique m'a permis de plus facilement connecter avec la langue portugaise. Tu vois T'as fait du fado, Donc... du coup Ah T'as chanté du fado Non, non, du jazz, mais... Euh, <laughs> mais ah euh, bah, le fado, c'est pas dans du jazz. <laughs> je, je, sais, mais fado, j'ai écouté un peu, c'est pas trop mon style, tu vois, c'est ça, si tu sais, arriver à retrouver son style dans d'autres euh, dans d'autres langues, c'est pas ouais. évident, tu vois, donc... Euh, Non, en plus du jazz, tu vois, genre euh, The Girl from Ipanema, des choses comme ça et tout, mais euh, ah, en portugais, tu vois. Ok. Et je, chante, et je chante ça dans mon club de jazz et genre euh, j'ai un fan club de, de ou trois portugaises là qui viennent elles sont ravies à chaque fois que je chante en portugais tu vois <laughs> donc, euh, donc le bluff est le bluff est bien mis en, en route tu vois ça marche bien enfin, du coup c'est des portugais ou c'est plutôt des brésiliennes parce que les, les, les brésiliens ils aiment enfin ils ont Je trouve que ce que, enfin, ce que j'aime bien chez les Brésiliens, c'est qu'ils s'exportent beaucoup, en fait. Ils exportent beaucoup leur culture, ils n'hésitent pas à faire des, des batucadas, des, euh, il y a des, beaucoup de rondes euh, où, où ça chante des chansons populaires, donc ça chante en portugais, et tout le monde, tout le monde, tout le monde est invité vraiment à, bah, à chanter. Qu'on ait un accent portugais, qu'on ne l'ait pas, qu'on ait même un accent français ou autre, euh, tout le monde est invité à chanter, tout le monde peut prendre le lead, et euh, du coup, euh, ça c'est vraiment génial, quoi. Du coup, c'est plutôt ouais, des Portugaises et... ou c'est, des vraiment des... Ou des Brésiliennes Il y avait une Portugaise et euh, deux Brésiliennes. D'accord. Ok. Et donc, euh, donc euh, à chaque fois, je suis ravie, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, que parler la langue de quelqu'un d'autre, c'est pouvoir euh, c'est comme si tu parlais directement à son cœur, en fait, tu vois. Elle mm-hmm. s'est dit, mm-hmm. ouais, cette personne a fait l'effort, en fait, de, oui. de, de, comprendre ma langue mm. et de me parler dans la langue dans laquelle je, dans la langue de ma maman, si tu veux. Tu ouais, vois. ouais le, le côté de te mettre à l'aise, en fait. c'est le côté de mettre à l'aise, c'est que euh, quand tu parles la langue de quelqu'un d'autre, c'est que tu lui dis, t'inquiète pas, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu peux parler comme tu l'entends en fait. C'est ça en fait, c'est que tu peux, tu peux t'exprimer comme tu l'entends, ne t'inquiète pas, t'as pas de barrière à te mettre, tu peux t'exprimer comme tu l'entends. Et ça, pour le coup, oui, c'est très, enfin, très souvent, c'est euh, c'est bien perçu en fait, parce que euh, c'est le côté, bah, on, on, capte que la personne veut, veut te mettre à l'aise en, parlant en parlant ta langue maternelle. Mm, exact, tu vois. Et là, je me dis, avec, avec un tel livre, tout, je me dis, ok, il y a les enfants qui, euh, qui, qui, vont promouvoir un peu, euh, maintenir un lien avec cette culture, tu vois. hmm où ça parle déjà créole dans la famille, mais je me dis les gens qui apprennent déjà le créole, comment en fait ce type de support peut les aider dans leur quotidien à pouvoir soutenir un petit peu leur apprentissage et leur créer un ancrage émotionnel, tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, je sais pas, peut-être euh, des petites images. Euh, je, après, j'ai pas encore euh, cliqué sur les, euh, sur les liens. Euh, sur les QR codes. <laughs> ouais, qui sont, qui sont proposés, tu vois. Après, je sais pas s'il y a de la. Euh, je vois un lien SoundCloud, je sais pas s'il y a de la musique derrière, tu vois, mais. Ouais, les chansons populaires, en fait. Bah, justement, les chansons qui sont dans le, dans le livret. En fait, ce sont des mhm. petites chansons populaires. Des... Il y a plusieurs chansons paysannes, des comptines. Et du coup, ces chansons, elles sont, elles sont sur SoundCloud. Donc, euh, donc euh, voilà, donc c'est la possibilité en fait d'avoir le son aussi. Euh, il y a, donc il y a les mots dans le petit livret et il y a, y a le son sur SoundCloud. Il y a SoundCloud. Ah bah c'est excellent ça. Oh là, merci, merci. Eh, après, <laughs> Après, pour le côté euh, lien émotionnel, franchement, je le vois. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de personnes se mettent à une langue étrangère pour l'être aimé ou pour, euh, pour communiquer avec la famille de l'être aimé. Mais mm. après, souvent aussi, ce qui se passe côté business, en fait, c'est que euh, c'est parce qu'on veut, on veut lier des relations commerciales. Après, euh, on, on, est des êtres humains, donc on, on a des rapports, euh, du coup, des rapports humains, enfin des, des échanges. Et, euh, et, à cette humanité qu'on amène, en fait, grâce à la langue euh, maternelle, en fait. En parlant la langue maternelle de, de, son, de son fournisseur ou de son client, eh bien, euh, on crée aussi ce lien, enfin, on, on, on pérennise ce, ce, lien émotionnel, enfin ces liens commerciaux euh, dans son business, quoi. Parce que euh, comme mm. dans les écoles de commerce, ben, ils vont te faire apprendre euh, du japonais, tu, là où tu peux apprendre du russe. Euh, bon, beaucoup sont à l'anglais, tu vas apprendre du mandarin. Euh, donc euh, moi, j'ai ce côté-là aussi que bah, avec le créole, cette possibilité-là, enfin il y a le créole pour le business en fait. C'est le, il y a le côté mm. effectivement bah, famille plutôt perso, on va dire, les privé Mais euh, ça aide aussi pour le côté business. Parce que même les, les, agences de voyage, les agences de voyage, même quand ils font des guides, c'est le petit futé, j'avais vu, euh, quand ils proposaient la destination Haïti, bah, euh, voilà, ils avaient mis des petites phrases d'accroche, ils avaient mis des petits, euh, des petites, euh, des petits proverbes, euh, bah, des, des, petites phrases, comment dire bonjour, tout ça. C'est qu'il y a cette, cette invitation justement au voyage grâce aux mots, rien que par les mots on confirme qu'on mhm. qu qu'on connaît le sujet, qu'on sait de quoi on parle, et euh, donc euh, on apporte de l'authenticité à son offre commerciale. Quoi. Ouais, mais euh, c'est excellent euh, ce que tu dis ça, parce qu'en effet, c'est un, un, un, point d'accès qui, qui, est assez intéressant. Et il y a aussi euh, les enfants et le contenu sur YouTube ou autre, tu vois. Mm. Arriver, là encore une fois, je ne sais pas s'il y a du contenu si les comptines euh, SoundCloud sont aussi disponibles sur euh, YouTube, tu vois. Pas toutes. Effectivement, pas toutes. Euh, enfin, euh, euh donc il y a plusieurs, à plusieurs niveaux. Dans le sens où il y a des chansons que tu vas trouver, pas forcément sur, ma, sur la chaîne de Voyage en local, qui est une chaîne YouTube Voyage en local. Et là, il y a quelques comptines que tu vas trouver sur la chaîne YouTube de Voyage en local. D'autres que tu trouveras en fait sur d'autres chaînes YouTube. Mmh. et euh, du coup, effectivement, là, ce qui est fait, qui est commencé, c'est euh, c'est une playlist de comptines. Mhm. Une playlist de comptines. Et euh, dans cette playlist de comptines, je pense que je vais en faire deux pour que ce soit un peu mélangé. Il y a le côté bah, avoir des comptines du monde. Donc ça peut être autant euh, créolophone que euh, qu'en lingala, en swahili, en portugais. Mhm. et, euh, et, justement, ouais, parce qu'il y, y, a la chanson Joyeux anniversaire là, que, que j'avais ajoutée, que de faire aussi une mm. playlist spécialisée euh, vraiment sur euh, des, euh, des, chansons en créole, quoi. Ben, ouais, je pense, tu vois, parce que moi, mes enfants, ils sont petits, tu vois, et mm -hmm. ils passent tout leur temps sur YouTube, tu vois. Ouais. et euh, je me souviens qu'à une époque, plus petit, on regardait des comptines. Ouais. Et euh, à un moment donné, il euh, y en a marre des frères Jacques, quoi, tu <laughs> vois. un <laughs> peu de changement <laughs> ça, ça deux minutes et tout, frère Jacques, tout machin. Et à un moment donné, j'avais envie de changer. Et donc, mm. du coup, je, je tape euh, cantine africaine, tu vois. Ouais. Et là, je tombe sur tout un tas de cantines que, pardon, que je ne connaissais pas moi-même, tu vois. Euh, ouais, que t'as un peu moins vu, mais oui, il y en a plein. Il y en a plein, enfin, c'est. Euh, bah, carrément, tu vois, euh, il y, a une chanson, euh, par exemple, qui fait Le 2 juillet, bisous, t'es bien à foire. Tu vois, le 2 mm-hmm. juillet, nous Et, euh, et, cette cantine, je la connaissais pas du tout. Ouais. Je la trouve belle, l'animation est bien faite, tu vois. Mm -hmm. Et mhm. je réalise en fait que c'est une chanson euh, congolaise que euh, certains plus grands connaissent en fait. Tu vois ah, mais ça, franchement, ça c'est un truc de ouf quand même, tu vois. Ça, c'est ce côté-là de, des de comptines. Moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que tu viens de dire. C'est que c'est fait pour les petits. Normalement, ça doit, être dans les, ça doit être dans les bouches des enfants. Mais quand tu commences à les chanter aux plus grands, ils les connaissent, ils les connaissent par cœur. bah, pour ceux qui ont eu la chance de bénéficier de, de cette culture étant petit, tu vois. Moi, mmh. je suis mhm. née en France. Ouais. Donc, euh, j'ai une double culture. Mes parents sont nés, euh, sont nés à Brazzaville, au Congo, tu vois. Ils sont ouais. arrivés ici dans les années 80. Et donc, du coup, ils m'ont transmis une partie de la culture. Mmh. Euh, les plats, des choses comme ça et tout, tu vois. Mais la culture, je la connais de loin. euh ils on, on, chantait du frère Jacques. ah, mais moi aussi, hein, pareil. Hein. Enfin, justement, moi, j'ai, j'ai, la même, enfin, j'ai le même parcours que toi, en fait, dans ce sens-là. C'est que, euh, pareil, moi, des, les plats, on connaît tout ça. Et les choses qu'on connaît, on connaît, on connaît euh, l'origine euh, et tout. Mais les comptines, bah, je les ai apprises au fur et à mesure. Je les ai apprises là depuis que, je, que j'ai commencé à m'intéresser, à me réapproprier ma culture. Tu vois Ça, c'est quelque chose, ça mmh. arrive, enfin, c'est un schéma qu'on vit souvent, mais euh, et c'est après, ça, mais justement, c'est que c'est pas, c'est pas irréversible, bien heureusement. Bah, bah, ce qui est encore mieux, c'est que je trouve que celle-là, c'est le meilleur moment, là, les vingtenaires, les trentenaires, là, euh, mmh, tu vois. <laughs> Euh, on est vieux, on est vieux. ouais, c'est le meilleur moment, en fait, euh, de réintégrer cette culture, parce que ben, ceux qui ont les parents qui sont venus à une certaine époque et tout, euh, et nous, on a été élevés au frère Jacques, bon, c'est une caricature, tu vois, mais on a été élevés au frère Jacques et au clair de la lune, tu vois. Et aujourd'hui, on a les enfants. Ouais. Et on a envie de leur transmettre un bout de leur, leur héritage euh, antérieur, tu vois, parce que mmh. en gros, euh, euh, moi, par exemple, euh, mes enfants sont métis, tu vois. Euh, quand on voit, on voit très bien que mes enfants sont métis, mais j'ai dû expliquer à mes enfants que moi, je suis française. Ouais. Tu vois. mais que mes parents sont nés à, à Brazzaville, tu vois. Mmh. Ouais, d'expliquer toute coup... l'affiliation. Euh, toute, euh, de, ouais, la filiation en fait. Et le patrimoine qu'ils ont, enfin, autant leur identité euh, française que euh, le patrimoine qu'ils ont, euh, bah, du coup, euh, par rapport aux liens, au liens filiaux, quoi. Ouais. Exactement, tu vois, parce que moi, de moi, je peux pas dire que je suis congolaise directement, tu vois. c'est juste que sur ma couleur de peau, on voit que je suis On voit, que je suis pas. Tu viens d'ailleurs <laughs> C'est-à-dire que je suis pas du nord de la France ou de la Bretagne, tu vois. Ça se voit, tu vois. Et, euh, et mon chéri, c'est pareil, tu vois. Euh, mon chéri, bah, physiquement, quand tu vois sa peau, il est blanc, tu vois. Mais de son, de son père, il est né au Portugal. Ouais. Et sa mère, elle, elle est euh, sicilienne, tunisienne. D'accord. Un beau brassage, donc, effectivement. Ouais, donc son père était euh, le père, le père de la mère de Rinpoché était sicilien, euh, son... Non, sa mère était sicilienne et son père est tunisien, tu vois. Mmh. Donc tu mélanges les deux cultures, donc en gros, réellement, il est tunisien, tunisien, sicilien, portugais, <laughs> né en France, tu vois, quand tu remontes la Résultat, notre fils, là, aujourd'hui, il a hérité de tout ça, plus le côté Congo, tu vois. Et donc, bah. va lui expliquer euh, ses origines. Ah, tu peux Et du coup, euh, il parle un peu tout ça Il parle un peu... Euh... italien. Non, non, il parlait, il parlait couramment portugais jusqu'à l'âge de 5 ans. Ouais. Euh, mais du coup, euh, sa mère a, a appris euh, le portugais pour pouvoir communiquer avec son père. Mmh. Et euh, son père parle français, bien entendu, aujourd'hui, tu vois. Mais donc, du coup, elle a un peu délaissé euh l'italien, tu vois. D'accord. Mais, euh, mais, petit, il se souvient voilà, que quand il, allait, quand il allait chez ses grands-parents, euh, c'était mouvementé, c'était assez animé. Il parlait euh, souvent avec les mains, il ne comprenait pas et tout, mais il a compris <laughs> cette, ce côté tunisien et, euh, et, euh, et italien. Si La Méditerranée, quoi. faisait cette dynamique, tu vois. Le sud. Ouais. Et donc, du coup, récemment, par exemple, il m'a fait découvrir les fricassés tunisiens, tu vois, que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et là, le rendu, euh, dès, que je peux, dès que je peux trouver de la farine, j'en fais, quoi, tu vois. <laughs> J'adore ça. Et puis, je me dis, mais, mais pourquoi tu m'as pas parlé de, ce, de ça avant, tu vois euh, on, on, mange des pâtes à la maison, c'est bien sympa les pâtes, tu vois. Mais, <laughs> mais euh, c'est excellent euh, ta culture tunisienne, je la trouve excellente, tu vois. Et après, euh, ça c'est la première semaine. Euh, la semaine, la semaine d'après, il a fait un plat euh, malgache. Pourquoi hein Parce que son fils, oui. notre, fils aîné, notre fils aîné, sa mère est malgache. Et donc, du coup, on se retrouve avec un aîné qui a 18-19 euh, ans, qui est à moitié malgache et à moitié euh, portugais, euh, tunisien, syrien, tu vois. Ouais, il y a, y a de quoi donc, faire, il y a de quoi faire. C'est ça, il y a de quoi faire. Et ma fille, elle, elle est à moitié congolaise Et de l'autre côté, son père et euh, enfin son grand-père était pied noir d'origine espagnole. Donc il est en, et ses grands, ses, enfin, les, grands, les arrière-grands-parents ont vécu en Espagne, ils ont migré en, en Algérie. Et du coup, le grand-père de ma, de ma fille qui est décédée aujourd'hui est né en Algérie. Okay. Tu vois Donc résultat, on a une famille complètement colorée avec des plats différents, des cultures qui se mélangent et tout ça, tu vois. Et, et, avoir un bout de culture en écoutant des chansons, en mangeant des plats de telle et telle euh, origine, c'est ce qui caractérise un petit peu notre famille. Et, et c'est un peu ce que je vois dans, dans ton projet aussi. Tu vois, quand tu dis voyageur local, moi, je n'ai pas besoin de voyager. Je, je, voyage avec mes enfants déjà, tu vois. <laughs> tu en se regardant ouais. les yeux, on voit très bien que dans, dans le sang, il y a, y, a plusieurs, euh, y a plusieurs voyages, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est que dans le quotidien, le quotidien, dans le quotidien, il y a le voyage, quoi. Et ça, parce que autant par toutes les langues, par toutes les influences que vous avez, tout le patrimoine, les langues que vous pouvez parler, comme tu l'as dit, les plats que vous pouvez manger, euh, tout ça, en fait, fait que euh, oui, vous avez ce voyage, effectivement, et, euh, et, le voyage, il commence comme ça, en fait. Ouais. Et en plus, c'est le fait de s'ouvrir, parce qu'on pourrait totalement se dire, bon, bah, on pourrait vous prendre comme ça, euh, individuellement, et puis euh, se dire, bon, bah non, on, on fait table rase et on est juste français. Non, c'est qu'il y a aussi un patrimoine et, euh, et vous vous ouvrez à ça, quoi. Donc euh, ça, du coup, c'est euh, génial. Exactement, tu vois, et quand je vois, euh, quand je vois le, le concept de voyage en local, je me dis, mais au final, voyager local, c'est se promener, si tu veux, dans son ADN, tu vois. Euh, c'est... Il y a l'ADN, mais aussi s'ouvrir aussi aux autres, parce que c'est pas simplement... Enfin, c'est pas... Moi, effectivement, j'axe je, je euh, beaucoup sur le créole, parce que euh, ouais, c'est ce que j'apprends. Mais euh, après, euh, moi, je parle toujours beaucoup mieux anglais que je ne parle créole, tu vois. ouais. <laughs> Ah, ouais. ouais. Moi, je parle pas lingala, moi, tu vois. <laughs> je parle beaucoup mieux anglais que. Euh, je parle limite beaucoup mieux euh, espagnol que lingala, tu vois. Ouais, donc euh, ça, c'est ouais, c'est un fait. Et donc, c'est. c'est que c'est. En fait, c'est tout ça pour dire qu'on a des langues. Enfin c'est pas que l'ADN en fait qui parle, c'est surtout l'envie, le, l'envie le, euh, qu'on qu y met en fait. C'est surtout ça qui va faire qu'après euh, on pourra évoluer dedans et qu'on va s'y mettre en fait. Ouais, mais tu vois, je, je trouve qu'on a parfois plus une facilité à s'ouvrir vers les autres, donc à aller apprendre la langue de quelqu'un d'autre, mm -hmm. euh, parce que tu veux connecter avec quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. on a, on s'ouvre pas vers soi-même, tu vois. Se connecter à sa propre histoire, tu vois, à, tes ancêtres qui ont eu une histoire, un vécu, une langue. Moi, bah, mon arrière-grand-mère, par exemple, quand je suis partie en 2010 à Braza, on nous a dit, bah, elle, euh, c'est euh, Coco, tu vois, c'est une arrière-grand-mère. <laughs> Simplement, elle parle pas français. Ouais. Ah oui. Et tu vois, et là, quand tu la regardes, tu te dis, waouh, en fait, mon arrière-grand-mère ne parle pas ma langue, en fait. <laughs> ouais, tu non, c'est vrai. Que... Bah, en fait, moi, je te... réalises, Oui, le pouvoir ouais, et le, le, le, pouvoir et l'intérêt de parler aussi euh, pour connecter quoi. Parce que euh, moi aussi c'est, ben, un côté aussi c'était pareil, c'est que euh, moi j'ai commencé aussi à me mettre créole en 2013 parce que je m'étais dit il mm-hmm. faut que j'aille en Haïti et que que j'aille puisse aligner deux trois mots corrects à quelqu'un en fait, tu vois, que si j'en compte de la mm-hmm. famille, qui euh, bah, que c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est quand je suis dans un pays qui n'est pas fran- francophone bah, on ne doit pas forcément parler que anglais en fait. C'est bien de parler justement, donner quelques bribes dans la langue du pays. Et puis euh, voilà, après, euh, pareil, quand je suis partie en Turquie, j'avais pris quelques mots en turc, comme on disait euh, bonjour, euh, voilà, et puis après, hop, j'enchaînais sur de l'anglais quoi. Mais au moins, rien que de faire l'effort de parler la langue du pays, bah, les gens, ils, ils, ils, voient, ils saluent l'effort, comme on disait tout à l'heure, Et, euh, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à parler créole. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre créole. C'est parce que je pratiquais pas du tout avant. Et je me suis dit, bah ouais, pour connecter avec la famille, bah euh, c'est pas plus mal d'aligner quelques mots euh, justement en plus, quoi. Ouais, histoire, ouais, comme de, histoire de pas se retrouver seul sur le côté et regarder les gens avec des, des yeux en bille. Bah non, mais enfin moi je me savais très bien que je serais pas pas être bilingue de, euh, de but en bout, enfin tout de suite, de, d un, d un, du jour au lendemain. Mais euh, au moins, le côté, bah, le côté effort, en fait, je me dis, je... c'est quelque chose que j'avais déjà vu avant. Enfin, en fait, voyager, c'est pour ça. Bah, je l'avais vu. Euh, c'est que même si après, bah, la discussion peut s'arrêter très vite, au moins, le fait d'avoir fait l'effort de parler dans la langue, c'est, c'est, c'est cet effort-là, il, il, est vu, il est salué, et ça permet d'avoir une connexion, en fait. Mmh. Carrément, carrément. En tout cas, moi, je trouve ton projet... Euh je trouve ton projet excellent parce que du coup, tu es, euh, voilà, tu fais partie d'une personne de plus qui, qui, qui, fait gagner en longévité à, à une certaine culture, une certaine langue. Euh, la culture ne s'arrête pas avec, euh, avec ta mère, par exemple, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et, je, trouve ça, je trouve ça super, tu vois. parce que les, les gens comme toi sont importants pour éviter que les, oh là là. les langues meurent et que les, que les cultures meurent. <laughs> euh, merci pour les fleurs. <laughs> mais c'était pas exactement non, mais... pour ça que je voulais qu'on discute en fait. Moi, c'était vraiment le côté, <laughs> le côté business parce que, et je voulais aussi saluer ça, c'est que, euh, euh, en fait, le fait que tu m'en parles, le fait d'en discuter avec toi, mhm. bah, ça m'a permis de, euh, de, de, débloquer certains de, de, débloquer certaines choses dans ma tête en fait même en termes de concepts de, de le fait de partager, parce que quand tu dis que tu vends quelque chose, et eh ben, mhm. on est, on il y a une certaine obligation de faire mieux, de faire bien, de se dire, bon ben, là, si je le vends, euh, faut que ce soit utile, il faut que la personne comprenne, il faut que, euh, faut que je sois plus clair, que, euh, que ce soit un produit fini qui soit bien et que euh, ce soit pas simplement un truc, euh, enfin, que ce soit, enfin, essayer de faire, essayer, justement, essayer de faire, de, de, de, faire un produit fini, en fait, que ce soit pas simplement un truc fignolé comme ça, enfin, pas fini, mais euh, Euh, euh, que ce soit pas quelque chose de... Parce début, franchement, le, le, le premier set de table, je l'avais fait <laughs> avec. Euh, ouais, faut, faut dire les choses. Je l'avais fait avec, le piste, avec un pistonnet à colle. Et c'était dégueulasse. Il y avait des pâtés et tout. Ouais, j'avais pris, euh, j'avais pris des feuilles plastiques. Et puis, euh, des feuilles plastiques A3. que j'ai plié en deux pour aller sur du A4. Et après, euh, je fermais les bords avec, euh, avec le, le, pistolet à colle. Mm. Dans l'idée, pour dépanner, c'est cool. Mais après, en termes de produit fini, si tu le vends, c'est super moche. Et, euh, et, du coup, bah, le fait comme ça de se dire, bon, bah, si ça, je le vends, enfin, et, euh, et de ne pas avoir honte, du coup, après de le vendre, en se disant, bah ouais, ce truc-là a été travaillé, c'est un produit fini, ok, c'est pas parfait, d'accord, et toujours des choses qu'on peut améliorer, mais c'est un produit fini. Euh, le visuel, et, le visuel, euh, j'en suis fière. Euh, comment ça rend, euh, bah, j'en suis fière aussi. Le, le, set de table, on peut le, on peut le nettoyer, on peut le nettoyer, voilà, euh, avec une éponge. Il est vraiment, euh, il remplit sa fonction en fait. Et, mm. et c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce au fait que tu, que tu me, que tu me rappelles du coup qu'il faille le vendre Pas simplement, pour, pas simplement pour gagner une étude, mais pour ce côté, bah, c'est un produit fini. J'ai travaillé dessus, c'est un produit fini. Bah ouais, euh, du coup, euh, de le valoriser en fait, de côté de valoriser et puis pour, pour me partager au final. Et c'est ça que j'ai euh, que j'ai vraiment adoré et que et du coup que je trouve que c'est. Euh, bah, je te remercie de m'avoir euh, de m'avoir rappelé ça parce que. Bah, c'est grand plaisir. <laughs> non parce qu'en plus au début je dis en plus je rappelle au début je, je te disais mais <laughs> j'étais Pas... En fait, j'ai même pas bien quand tu me l'as dit. <laughs> Quand tu m'as dit, il ouais, faut le vendre, <laughs> j'étais mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle <laughs> Qu'est-ce qu'elle veut Moi, c'est juste un plaisir comme ça, c'est juste euh, un petit truc comme ça. Pourquoi elle veut que je le vende Et. Euh... Et... Mais tu sais, mais tu sais, euh, ouais, si, tu veux, euh, par rapport à l'aspect business, en effet, il ne peut, il peut pas exister de prototype numéro 2 sans le prototype, numéro 1. Donc mm -hmm. en mhm. gros, là, euh, ce que j'ai acheté là, euh, n'aurait pas pu exister si tu n'avais pas commencé à faire le premier. Après, en effet, euh, euh la vente t'oblige à, à, être performant, à chercher à avoir un, un, meilleur packaging, etc. Moi, par exemple, ce week-end, avec les enfants, on a utilisé des cartons de livraison. Euh, euh, enfin, tu sais, quand tu commandes un truc, c'est forcément emballé dans un carton, tu as du ouais. sirène et tout. Et quand j'étais petite avec mes soeurs, par exemple, on prenait ces cartons et le polystyrène et on faisait genre des maisons pour nos Barbie, tu vois. Oh. un déballage avec la cuisine, là c'est machin, etc. Tu vois. Et là je me suis dit, je vais faire la même chose avec les enfants, tu vois. Donc on a peint le carton, on a mis la couleur, j'ai mis des cloisons pour créer un espace cuisine et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est du bricolage, tu vois. Mm -hmm. Et, mais c'est du bricolage avec lequel je suis en accord si c'est pour mon utilisation personnelle ou si oui. c'est pour l'utilisation ouais, des enfants. Mm. Ouais, parce que tu du côté loisir, parce que voilà, quand c'est du côté loisir et tout pour toi, en fait, on, enfin pour soi-même, on s'en fiche. On, se, on est moins porté là-dessus. Et euh, alors que justement, bah, quand on veut partager, parce que je vais te couper, hein, mais c'est ça, c'est que ce que non, tu ah m'as apporté en fait, c'est vraiment ça que tu m'as apporté, c'est que et que tu m'as fait voir et que tu m'as fait prendre du recul, c'est que si je veux pérenniser mon action et, euh, et même euh, bah, du coup euh, que ce soit un peu plus et le grader un peu plus avec tout le travail que euh, enfin tout le travail, enfin le temps que je peux passer dessus, et même aussi pour apprendre du coup, apprendre avec les autres et puis euh, la, et, et en tirer parti bah, ce côté-là, mm. quoi. Voir ce, avoir ce côté-là, cet aspect-là, business, quoi. Mm. Mais, com mais, complètement. En fait, en réalité, en business, quand tu ne vends pas, il y, y, a une action un peu égoïste, en fait. Enfin, ça a l'air un petit peu décalé euh, ce que je dis, mais ça, ne pas vendre, c'est faire de toi un égoïste. C'est-à-dire que tu as trouvé une super idée, il y a un super concept qui est venu à toi, et tu fais, hm, non, je pas envie de le vendre aux autres. Je vais le garder pour moi, euh, voilà, c'est suffisant, tu vois. Ou alors, allez, je vais vous donner gratuitement. Mais gratuitement, il y aura une limite. Tu vas donner un certain effort gratuitement parce qu'en fait, tout est tout, tout n'est qu'échange. C'est soit tu donnes du temps, soit tu donnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc soit tu vas donner un mhm. certain temps et tu vas faire un truc gratuitement. Tu vas dire aux gens, ben voilà, prenez-le gratuitement. Sauf que toi, tu auras donné une énergie gratuite qui sera valorisée à une certaine, à cette, certaine valeur auprès de tes yeux et auprès des yeux des autres, tu vois. Les autres, ils vont voir ton truc, ils vont dire, ah ben, waouh, mais, euh, ah, merci, je comprends pourquoi c'est gratuit. Tu vois, si quelqu'un te dit ça, euh, c'est un truc qui n'est pas super. tu vois <laughs> tu vois par contre, si quelqu'un te dit Waouh, c'est magnifique ce que tu as fait, mais pourquoi tu me le donnes gratuitement Ah, mais c'est ouf. Là, tu, <laughs> tu vois, là, tu comprends que tu as commencé à t'investir corps et âme dans, dans, ton produit et euh, tu lui as mis, en fait, le temps que tu as passé dedans, lui a donné de la valeur. Et cette ouais. valeur-là, c'est juste un échange avec l'autre en disant Regarde, voilà, moi j'ai créé ça pour toi, pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer à perpétuer la culture, c'est pour toi. Pour t'aider à apprendre, pour t'aider à grandir et pour t'aider à, à, découvrir de nouvelles choses, à voyager. Mmh. Et la personne va, dire, va te dire merci et va te rétribuer pour le travail que tu as effectué pour l'énergie que tu as donnée, tu vois, c'est juste un échange, tu peux pas faire Oui, c'est ce côté-là, ouais, c'est ce côté échange, de pérenniser, et puis c'est la valeur qu'on va donner, enfin vraiment le côté valeur, euh, l'intérêt, c'est plus, pas simplement la valeur monétaire, pas forcément pécuniaire, mais l'intérêt qu'on porte euh, au, à l'objet, au service, quoi. Parce que pour, pour le coup, c'est ce que je disais l'an dernier, c'est qu'être passé euh, du livret origami euh, en mode euh, papier recyclé, papier jaune ou papier blanc et tout recyclé, après à mettre une carte, euh, à, que ce soit en couleur, euh, avec l'alphabet, rien que le visage d'une petite cousine, quand elle a revu le, le le livret origami, mais ça n'avait rien à voir. On aurait dit que le premier, elle l'avait jamais vu. Wow. C'est euh, mais c'est qu'elle l'a vu, elle, elle fait oh c'est trop bien et tout, euh, je peux en avoir un s'il te plaît, euh, je peux en avoir un et tout. Et, euh, et son yeah. visage, il m'a tué. Je me suis dit bon ok, d'accord, on va écouter, ce je vais écouter ce qu'on me dit. Euh, voilà donc euh, c'est. Mais, ouais. tu vois, mais tu vois, moi j'avais ce visage là quand tu l'as sorti en, en papier, en papier mâché, mâché recyclé, là, de ton sac à main, comme ça, à la rage dans le bus, et je regarde le truc et tu dis, oh, je vais le donner gratuitement. Et j'étais en mode, mais elle est complètement dingue. elle, euh, tu peux pas donner ça gratuitement. Il y a une valeur à ça. Parce que moi, quand tu me dis, ah, je vais donner ça gratuitement, je vois en fait de l'énergie perdue en fait. Je me dis, tiens, elle donne ça, elle donne, elle donne. À un moment donné, elle aura plus d'énergie, elle va arrêter. Parce qu'elle pourra plus donner en fait. Après, je vois deux choses en fait. C'est parce que, effectivement, moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai appris de façon gratuite. Moi, j'ai tout appris grâce à Internet. J'ai tout appris parce que les gens ont posté des choses gratuitement, tu vois. Pour le côté Creative Commons, euh, le côté, euh, bah, du coup, vraiment, euh, la, la, culture libre, c'est ce grâce à ce concept-là, cette philosophie-là, c'est comme ça que j'ai pu apprendre. Et même, c est, c est parce que ça met moins de barrières en fait. Moi, j'ai pas envie de mettre de barrières aux gens, tu vois. Donc c'est pour ça non, que. Non, non, mais... non, ah non, mais en fait, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai. Enfin, au début, comme je vais pas te mettre de barrière, bah, mm -hmm. ouais, le fait de, de me dire j'ai fait quelque chose à partir de. Beaucoup, enfin, à partir de recherche, mais beaucoup, à partir de matériaux qui étaient, euh, qui étaient libres, le vendre derrière, je me dis, mais c'est compliqué. Euh, mais après, voilà, c'est quel... non, après c'est à quel niveau et combien en fait. C'est pour ça que c'est pas non plus, euh, je le vends, euh, je vends pas, je vends pas 10 balles, tu vois, je vends pas 10 euros. Mais ouais, même si tu vendais un centime, c'est déjà ça. Mais quand je te dis gratuit, c'est pas forcément vendre avec de l'argent. Euh, quand tu vois du contenu gratuit sur Internet, les, euh, la personne qui donne son contenu gratuit, elle se rémunère avec les, les, retours que tu lui fais, avec les commentaires et tout ça. Et puis, tu, elle te donne de l'énergie, toi tu lui rends de l'énergie en le mettant mm -hmm. en plus. Euh, en ouais, faut, ouais, faut euh, contribuer. Euh, ouais, ouais, ce là c'est. monnaie, tu vois. Mmh. Ouais, ça a de la valeur, effectivement, ça a de l'intérêt, le fait de contribuer et puis de d'apporter euh, justement en plus, que ce soit pour euh, des corrections et autres. Ouais, tout à fait. Non, ça, oui, effectivement, là-dessus, ça, ça joue aussi, quoi. Donc, toi, quand à ce moment-là, tu montes ça et que tu me dis, voilà, pour l'instant, j'en parle tout gratuitement, je sais qu'à ce moment-là, on, on, est à l'étape du, du prototype. Tu cherches à voir si ça peut plaire, si y a un marché. Et, euh, et, même si tu donnes ça gratuitement, à ce moment-là, euh, c'est cohérent. Parce non, mais un, attends, quand on m'en a parlé, euh, j'étais pas du tout sur un, marché, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais dans Ah, bah, j'ai fait ça, voilà, c'est c'est le côté loisir, oisif, un peu comme tu le dis, c'est dans mon coin et, et voilà. Enfin, <laughs> pas le côté je, pense que, je pense que la première femme qui a, qui a, dû, qui a tricoté des bonnets pour nourrissons, Elle euh, dit de dire pareil, tiens, je fais des, petits bonnets, euh, je fais des petites chaussettes pour ton fils. Oh, mais il y a un marché, tu devrais prendre tout machin. Je pense que tout commence comme ça. Tout ouais, c'est mignon quand euh, ça commence comme ça. C'est mignon quand ça commence comme ça. Et, euh, et, là, je suis contente. Je suis contente que euh, d'avoir eu cette discussion dans ce bus avec toi parce que, euh, parce que là, on discute. Ça se trouve, demain, euh, je sais pas, je te vois sur TF1, tu vois. <laughs> Peut-être pas sur TF1, mais j'essaye de suivre tes traces, effectivement. d'animer. Enfin, moi, j'aime bien ce côté-là de, euh, de, partager, en fait, en animant des conférences. Moi, comme je te dis, je suis mm. tes traces. J'essaie de suivre tes traces, tu vois. Comme tu animes beaucoup de mm. conférences. Euh, bah, j'avais pu, euh, du coup, par rapport au blog et tout, euh, euh et les petits jeux que j'avais pu développer, j'avais déjà animé une conférence euh, à à la CD Sciences pour une Ubuntu Party où je parlais justement oui. euh, bah, de la philosophie, euh, la, philosophie, la, la philosophie libre, le, la culture libre et ce qu'elle peut apporter aux langues, en fait, le fait de partager, de collaborer, de contribuer, euh, ça, ça, aide à l'apprentissage des langues et le fait de partager comme ça, ben voilà. Et du coup, j'ai fait j'avais fait une, une euh, conférence là-dessus. Et puis après, là dernièrement, pendant le mois de créole, ben, j'avais partagé un conte chanté. Euh, enfin, euh, un conte, il y a des chansons euh, populaires dedans, ou des petites comptines. Et ça, j'avais partagé euh euh bah, dans plusieurs endroits, plusieurs événements, en octobre dernier en fait. Donc ce côté-là vraiment de euh, oui euh, moi c'est moi enfin pour répondre à, à la, pour répondre à la question euh, est-ce qu'on verra est-ce qu'on va m'entendre euh, discuter parler ça c'est mhm. enfin ça c'est vraiment quelque chose que j'adore que autant pour ce que de fait de partager mais aussi pour recevoir en fait recevoir les retours la sensibilité moi euh, comme je disais enfin la, la, conférence c'est là que j'ai pu faire évoluer par exemple une, une devinette que j'ai pu la, la, la rendre contemporaine Donc, euh, non, moi, j'essaie de marcher sur tes traces, tu vois. <laughs> j'essaie de marcher sur tes traces. <laughs> Peut-être pas TF1, peut-être New Live, peut-être peut H Live, mais euh, pas encore TF1, mais euh, ouais, j'essaye. Je, mais euh, c'est. Euh, tu vas, tu, tu, vas, tu vas aller très loin. Oh. C'est en t'exposant aux autres que tu vas pouvoir améliorer ton produit. Et, mm. et l'idée, c'est de te dire, après, à terme, tu, vois, tu peux très bien faire euh, une conférence ou, ou une conférence et donner, euh, donner les mini-livres gratuitement et puis derrière proposer des cours. Tu vois, a, le business model, après, se rediscute tout le temps. Tu vois, n'es pas obligé de, de, vendre tout le temps euh, le, le produit, tu peux l'inclure dans des choses, tu vois. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, quand tu as un produit, il faut se dire, OK, comment je peux faire que mon produit devienne encore meilleur et qu'il qu puisse répondre encore plus aux attentes de mon client mais voilà ce côté euh, besoin. En fait, ce côté apporter quelque chose, en fait, avoir une valeur ajoutée. Parce que, en fait, c'est pour ça que maintenant, euh, du coup, euh, et c'est pour ça que, je, que, que j'ai mis un peu de temps hein, avant, entre le moment où on a discuté et le moment où je suis vraiment passée au fait, bon, bah, vas-y, je vais le vendre. Euh, où je me suis dit, ben, est-ce que j'apporte vraiment une valeur ajoutée, en fait Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est est-ce que j'apporte vraiment une mm. valeur ajoutée euh, Par rapport à, bon, voilà, l'alphabet, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de, c'est l'Académie du Créel haïtien. Euh, ce sont des linguistes qui l'ont mis en place, toute la prononciation, tout ça. Euh, c'est des choses qu'on trouve sur Internet. Donc, tout très facilement, euh, c'est pas... J'ai rien inventé. pareil, la carte, je ne l'ai pas inventée, on la trouve. Après... Ouais, mais c'est comme, c'est comme en musique, tu vois. Euh, en musique, les notes euh, do, ré, mi, fa, sol, la, si, <laughs> C'est ouais. les mêmes notes pour tout le monde. Oui, non, mais c'est pour ça que moi je te dis, c'est ce côté, est-ce que j'ai apporté une valeur ajoutée Moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic et de me dire, qui avait un peu de temps à germer, et puis euh, qui m'a permis d'avoir ce déclic en me disant bon ben ouais, je confirme que ouais, je, je vais, je vais passer à cette, à cette étape-là d'en plus de, euh, bah, de, de, vendre en fait. Au-delà d'essayer de faire du joli, enfin en plus d'essayer de faire, de faire du joli, bah, de me dire euh, je me mets dans une position où c'est un produit vraiment que je vends euh, parce qu'il y a une valeur ajoutée et aussi que ça, comme ça, ça me permet de, euh, bah, de, de, mieux partager en fait au final, de mieux partager, de, de mieux valoriser et puis euh, que euh, tout simplement de, de le pérenniser mmh. bah, Tu vois, pour un, pour, un, produit comme le tien, il te faut un bon storytelling. Il te faut une belle histoire à raconter. En gros, c'est pas juste un produit qui se vend tout seul, tu vois. Euh, mmh. Il est très bien, il est très bien seul, mais euh, il pourrait être encore mieux avec une histoire, tu vois. Euh, une histoire émouvante, une histoire... Euh, enfin, il y aurait plein de choses à dire et à faire, et là on aurait pour 6 heures à parler, tu vois, parce que le storytelling, <laughs> ah, tu vois. <laughs> Mais euh, <laughs> comment dire Moi, tu me euh, lances, je m'arrête plus. Il faut, il faut raconter la bonne histoire, il faut faire rêver les gens et puis euh, je pense que ton produit, ce qu'il faut, ce qu'il peut faire en fait, c'est apporter en fait, euh, il faut apporter un effet wow et aussi un effet ah, tu vois. <laughs> et donc il faut que tu arrives à trouver en fait quelles sont les histoires que tu vas pouvoir raconter un peu ah Il y avait une femme, en fait, je sais plus comment elle s'appelle, une conférencière qui raconte des histoires, euh, j'arrive plus à la retrouver sur YouTube. qui raconte des contes et tout, c'est magnifique, les gens sont suspendus à ses lèvres, tu vois. C'est un peu euh, la griotte euh, qui raconte euh, des, des, contes africains, tu vois, c'est en anglais, tu vois. Mm -hmm. et elle fait ça, mais tellement bien que que tu, tu, rêves en fait et tu, tu dis, waouh, mais qu'est-ce qui va lui arriver, tu vois, à, <laughs> à, au vieux monsieur, etc. Ouais, t'as vraiment pendu à ses lèvres, quoi. Tu suis histoire. Ouais. Euh. ouais. complètement, tu vois. Et donc, euh, et donc ce type de produit, tu, je le vois bien associé à ça, tu vois. Tu, tu racontes l'histoire, mais derrière, euh, tu veux retrouver l'histoire, bah, elle est disponible dans le livre que, que tu vends. Comme ça, tu mm -hmm. vas mhm. pouvoir la raconter à tes enfants en crâle, par exemple, tu vois, où tu peux raconter l'histoire en français et euh, la personne les retrouve en crâle, j'en sais rien, tu vois. Mais Un, ouais. un, bon storytelling et des belles histoires à partager, ça rassemble les gens mm. et, euh, et, et, les gens viendront te voir juste pour, euh, juste pour le côté histoire, quoi. Ouais, non, mais ça, pour le coup, c'est ça qui, enfin, c'est ce côté-là qui m'a inspiré euh, le conte en fait que j'ai écrit l'an dernier. Euh, ce côté bah, de d'avoir un, d'avoir une enfin, d'avoir une histoire en fait une histoire euh, un, un, point de départ un point de départ et puis euh, au autour on brode en fait autour on brode on partage Euh, donc dans l'histoire que, enfin, le conte que j'ai euh, écrit l'an dernier, euh, bah, on, on, part en, on part en voyage avec Tiso et Tilodin. Donc c'est inspiré de, oh. mes, de mes neveux. Euh, on part avec eux en voyage en Haïti. Au début, ils ont peur, ils ne veulent pas trop y aller. Et puis, euh, au début, ben, leur grand-mère euh, leur donne une chanson, qui est dans le livre Origami, une chanson pour leur donner confiance. Et, dans le, et au fil de l'histoire, il y a des devinettes. on a encore quelques, chan encore quelques petites chansons. Et puis aussi, pareil, on peut suivre où ils vont sur la carte d'Haïti. Donc il y a des mots, il y a des villes qui sont, euh, qui sont mentionnées dans l'histoire dans et qu'on peut suivre aussi mhm. dans le qu'on peut suivre aussi avec le livret Wagami ou le set de table. Et on peut voir bah, du coup Haïti notamment euh, les différents départements. On va on va dans le département de l'Ouest, on va à Grandance. Et, euh, et puis ce que j'aime bien faire aussi pendant bah, pendant que je vais lire le, le conte avec du public, c'est justement de prendre des pauses et puis de dire ah ben où est euh, où est Grand Danse euh, sur la carte, oh. euh, des choses comme ça quoi. Ou euh, où est euh, où est Benet, où est la Vallée Jacmel, euh, où est le département du Nord-Ouest. Mm. Voilà, pour ce côté, ben, et comme ça tout le monde peut participer. Autant des personnes ben, qui soient qui connaissent vraiment Haïti que des personnes qui commencent, qui sont qui sont néophytes, qui commencent tout juste et qui peuvent s'essayer aussi aux devinettes tout ça. Et, et ouais, parce que euh, il faut pas forcément être, euh, faut pas forcément tout connaître en fait. Des fois, c'est simplement de euh, d'essayer, de partager. Et puis c'est pour tous les âges, donc tout le monde peut participer, tout le monde peut euh, peut s'essayer. Et ça, ouais, là-dessus, enfin, vraiment pas. Encore une fois, voilà, moi c'est ça, c'est des choses comme ça que j'aime beaucoup, que euh, qui me mhm. motivent et qui me disent, ouais, bon, ah ouais, faut que je continue. Qui me qui me disent, ouais, j'ai envie de j'ai envie de continuer rien que pour ça en fait. Au-delà de, de gagner des sous, Euh, mm-hmm. c'est plus, euh bah, du coup, euh ouais, le, ces moments qu'on passe comme ça, euh, que je passais, avec euh, même des, des, des, néophytes, vraiment. Le, je me rappelle, c'était à, à, la maison Nelson Mandela à Épinay-sur-Seine. Mm-hmm. J'avais un public où il n'y avait, que des, bah, il y avait que des personnes qui n'étaient pas du tout créolophones, qui vraiment, qui venaient, qui vraiment venaient d'ailleurs. Et ils se sont pris au jeu, ils se sont pris, au, ils se sont pris à l'histoire, aux devinettes, euh, parcourir Haïti. Et puis à la fin, euh, bah, je leur demandais, ouais, euh, quelle est la devinette dont vous vous rappelez Et puis ils m'ont ressorti toutes les devinettes. les chansons oh, aussi. Sympa. Ah, mais c'était génial. génial. Oh, ça doit être des beaux moments, ça. Mais ouais, franchement, c'est génial. Et en fait, comme j'ai beaucoup, moi, j'ai beaucoup vu avec euh, ma famille, tout ça, mes, mes neveux, ils sont habitués. Et de voir aussi un, un, un autre public qui, mmh. que je connais pas, que je que je vois pas vois pas tous les mois ou, ou que j'ai pas eu le temps de bassiner avec ça le fait de les voir euh, bah, du coup se prendre au jeu, que ce soit autant les petits que les plus grands, et que bah, du coup, que, pareil, qu'encore une fois, les, euh, les, les, barrières qu'il peut y avoir euh, entre les âges, tout ça, ça tombe. Les, les petits peuvent répondre, les plus grands peuvent répondre, tout le monde peut répondre. Il n'y a pas de barrière liée à l'âge, ni euh, au fait de connaître pas euh, Haïti. Bah, tout le monde, euh, en général, quand c'est comme ça, quand tu racontes des histoires, tout le monde redevient enfant, et ça, c'est juste mmh. magique, tu vois. Ouais. Et euh, tu permets à tout le monde de voyager. Donc, je suis contente, tu vois, euh, bilan un an après, je trouve ça plutôt cool. Et, euh, et j'ai hâte d'avoir le bilan euh, un an plus tard, tu vois. <laughs> Oh. Et euh, tu vois, ce qu'il faut se dire, de toute façon, la vente n'est qu'une conséquence en fait, de tes actions. Euh, parfois, il y a des choses qui vont se vendre, par la force des choses, ça va se faire. Il y a des voilà, business models se rediscutent assez régulièrement. Mm. mais sinon, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tu es ton propre concurrent. Mmh. Et mhm. donc, quand tu es ton propre concurrent, il faut se dire, OK, la V1, je la fais comme ça. Donc, la V1, je prends une feuille à 3 que je plie en deux et que je colle avec euh, <laughs> une colle à plastique, tu vois. Ça, c'est pour la V1. Et euh, la V2, euh, je fais un truc plastifié, un peu plus propre et tout. La V3, tu euh, auras peut-être encore un autre format qui va, qui va venir à toi, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. En fonction des, des, retours des gens, euh, ça, va, ça va te permettre de te donner euh, Ouais, de mieux l'orienter, quoi. Ouais, parce que, bah, en fait, comme, franchement, moi, parce que le livre origami, c'était vraiment, j'avais vu, moi, euh, c'est dans une expo à Londres où j'avais vu, à euh, bah, du coup, à euh, ils faisaient euh, le programme de l'expo dans un livret origami. Et donc, bah, voilà, enfin, il y avait vraiment un programme à feuilleter. Et puis après, quand tu déplies à l'intérieur, bah, tu as le plan de l'expo. Et moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce concept-là génial, quoi. c'était ah, sur, c'était sur papier, c'est du papier recyclé, c'est du papier, sur, de couleur. Euh, moi, ça m'a pas dérangé, tu vois. J'aime bien euh, tout ce qu'on peut euh, justement euh, bah, recycler, réutiliser, euh trouver un, un, une double fonction. euh moi, c'est des choses que j'adore. Mais euh, après, voilà, c'est que par rapport à, bah, par rapport à plusieurs, euh, plusieurs retours que j'ai pu avoir, comme tu l'as dit, Euh, bah ouais, il y a aussi d'autres fonctions, il faut aussi les utiliser et les essayer, et puis, euh, et puis voilà quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est que effectivement, la, la version 1, <laughs> la version 1, c'était vraiment le livre origami quoi. Moi, j'aime bien le côté de l'avoir dans la poche en fait. Moi, c'est ce côté-là, c'est l'avoir dans la poche. Parce que le set de table, l'avoir dans la poche, il est un peu dur quand même. <laughs> Ouais, quand même. Après, toi, t'as des grands sacs à main, donc euh, <laughs> j'ai envie de dire, c'est pas. Euh, c'est tranquille. Toi, c'est l'équivalent d'un petit portefeuille au canne. <laughs> pour toi, ça passe nickel, tu vois, mais euh, je suis contente. Je suis contente de cette discussion dans le bus euh, euh, qui a abouti. ouais, qui, bah, qui, bah, qui a, fait évoluer, ouais, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment ça. Bon, madame. Yes. Euh, on va passer à la suite. On va passer à, au moment du défi de Jean-Jean. Ouais, c'est quoi le défi donjon Le défi donjon, en fait, c'est quelque chose euh, que, que c'est une invention. Hein. C'est le côté. Euh, en fait, ça, ça reprend un, un proverbe euh, donjon, l'évé côté levé, même moi je poule. En fait, le donjon, c'est un champignon, donc il, il pousse n'importe où, n'importe où il veut, même sous euh, la croupe de la poule. Et euh, après, moi j'ai ajouté, eh ben, le, le, créole, c'est le donjon. Le créole, c'est comme le donjon. Euh, on peut le parler comme on veut. euh, parlons le créole partout. D'accord. Euh, et donc l'idée, après bon, t'es pas obligé de le faire en créole, mais euh, c'est que euh, tu peux lancer soit une devinette, soit une chanson, soit euh, un proverbe. Pas forcément en créole, hein, mais euh, ça peut être, ça peut être tout à... comme la chanson, la, la, la consigne que tu avais chantée tout à l'heure là. Et si t'en as une autre. Frère, frère Jacques, fra Maltino, campanaro, dormi tu, dormi tu. Suono le campane, suono le campane, ding dang dum, ding dang dum. Et là, t'as chanté en créole ou Non, c'est en italien, là. Euh... Non, non, c'est l'italien. <laughs> c'est de l'italien fabriqué. Euh... Ah non, c'est l'italien, là. Italien. D'accord, ok. Et donc, c'est ça le jeu, c'est ça C'est de chanter une chanson et de, et de remixer euh... Non, bah après, ça peut être. Enfin, tu peux chanter une comptine. Une comptine. Euh... Bah, si tu veux, je peux prendre une des comptines euh, de ton livre origami. Tu peux, tu peux en prendre une et la chanter. Vu que tu l'as. J'en ai une là. Euh, Panama, Mouen tombée. Ouais. il, faut que je trouve euh, une mélodie. Tu peux la chanter comme tu veux. Panama, moins tombé. Ok. Euh... Si tu la chanter ensemble, c'est peut-être plus simple. Waouh, validant. ah bah, je, je, fais la première phrase. Panama, moins Ok. Panama, moins tombé, Panama moins tombé, Panama moins tombé, Sakide, Sakide. Sakide, ouais. Euh, euh, euh, ramasser les ramasser-les pour moi. Yeah. Moi, la ville Jacques-Mer. Moi, pralé la balle en arrivant bene Panama, moi tombé. Yeah. Panama, moi tombé. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> Avec plaisir, c'est amusant, Ouais, bah en fait, franchement, j'aime beaucoup parce que euh, bah, tu as euh, vraiment compris comment on, on, comment on parle le créole, en fait. C'est que toutes les lettres se prononcent. Donc, euh, quand tout ce que tu vois, tu le prononces. Il n'y a pas de lettres qui soient muettes, il n'y a pas d'exception, ou très peu. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est ça, c'est euh, mon côté un peu instinctif. Tout ce que tu vois, tu le prononces. Donc, franchement, bravo. belle prononciation, belle, belle performance. Oui, performance. Bah, merci, merci. Merci au professeur euh, qui a écrit les paroles euh, avec euh, des lettres qui se prononcent. <laughs> c'est pas moi, c'est le créole, c'est la langue. Mais <laughs> en du tout coup, cas, je... Euh, en fait, on n'a plus envie de t'arrêter Si ou pas qu'on l'avait passé, si t'accueille maman. Si ou pas passé, si t'accueille maman. Angelico, Angelico, Angelico, Angelico, Bravo! <laughs> Oh, c'est joli! Et ouais, non, mais en plus, enfin, ça fait penser justement, là je vais encore continuer, c'est que euh, cette chanson-là, pareil, je la, enfin, je la connaissais pas en fait, je l'ai pas apprise, je l'ai apprise de, dernièrement en fait, vraiment. Et euh, c'était une fois où bah, on était en famille, avec des amis, de la famille et tout, et puis à un moment donné, bah, ils se sont mis à chanter ça. Ils ont, et c'est des chansons, en fait, c'est vraiment des comptines, parce qu'ils vont taper dans les mains, et des petites chorégraphies et tout, et, euh, et tu les vois, enfin Et des fois, ils sont tout calmes. Franchement, dans la famille, des fois, ils sont tout calmes. Euh. Et puis après, quand tu commences à chanter ça, bah, euh, ça commence à danser, tu vois les sourires sur leur visage. Euh. et puis, euh c'est entraînant, en fait, aussi. Donc, euh, non, c'est vraiment les comptines, j'adore. Vraiment, les comptines, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, enfin, aussi avec les vignettes, il y a beaucoup de choses que. Euh, c'est ce côté qu'on peut partager, en fait. Vraiment, le côté partage, c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Bah, tu vois, je le vois là, je le ressens là, sans avoir même euh, cliqué encore sur les QR codes, là, mais enfin, je parle de cliquer, c'est une feuille, hein, on ne peut pas cliquer comme ça, mais, euh, on se comprend. Euh, moi, je suis contente en fait, d'avoir découvert, découvert ça à la volée comme ça et de, de rajouter une mélodie sur. Euh, ouais. C'est original, je n'avais mm. mmh. jamais fait. Ah ouais, en plus, oui, parce que ça, c'est Céleste, ta sensibilité, ta sensibilité de chanteuse aussi, là, et de maman, qui a parlé. Donc, euh, Non, c'était bien. Bravo, euh, bravo pour la performance, vraiment. Vraiment, comme, as, comme je t'ai dit, hein, c'est, euh, t'as, as vraiment prononcé en fait. C'est vraiment ça. Bah, tu vois, du coup, j'ai hâte euh, d'aller sur SoundCloud là, pour écouter ce que ça vaut, tu vois, pour savoir si je me suis trompée. Du coup, je perds euh, au calme euh, les autres mélodies, tu vois. Puis après, je vais aller voir si j'avais bon. <laughs> <laughs> c'est pas un test, c'est pas un test. C'est pas je un test. mais c'est amusant de se dire euh, T'inventes une mélodie avec des paroles déjà existantes, et puis après, tu essaies d'écouter pour voir comment eux, ils l'avaient pensé, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. <laughs> ouais, c'est okay, okay. ce côté-là, effectivement. Bon, je te l'accorde, je te l'accorde. Bon, bah, on va se quitter ici. Donc, oui. je te remercie beaucoup pour euh, cette discussion, cette petite discussion, un peu courte, on va dire. <laughs> Oh oui, carrément trop, trop <laughs> on fera. suis vraiment ravie d'avoir euh, d'avoir commandé sur le site et, euh, et d'avoir le produit devant moi et de pouvoir, euh, pouvoir l'apprécier, tu vois, plutôt que de parler sur mon souvenir en papier mâché dans le bus à Paris. Au fond vois. du bus, il y a un an. <laughs> Donc là, tu es allé sur euh, et là, tout de suite, euh, c'est la ré révélation, quoi. C'est ça Ah ouais, carrément. Et là, <laughs> J'ai produit devant moi, je regarde euh, ton accomplissement, je vois ce que tu as fait et je trouve ça super. Et, euh, et, euh, et continue comme ça et j'ai hâte de refaire une nouvelle réunion entre toi et moi l'année prochaine et te dire Waouh, mais maintenant t'as carrément fait un, un Walkman Bon, après, je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre l'année prochaine, ça après on verra. Euh, des discussions, c'est sûr qu'on en aura. <laughs> mais euh, ouais. en tout cas, je te remercie vraiment. peut-être l'application Android ou iPad. tu euh, bah, que, euh, en fait, ça, c'est bah, ça pareil, c'est des, des choses que j'aimerais bien parce que c'est le côté, euh, du coup, effectivement, c'est le côté digital, disponible euh, et puis très souple de, de pouvoir bah, surfer comme ça et puis que ce soit accessible à tous, quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas On ne sait pas. On ne sait mais pas oui, encore. Mais oui, tout est possible. <laughs> on va commencer sur du papier mâché. Hein. <laughs> voilà. Là, on est passé à des QR codes, donc peut-être qu'après, il y aura quelque chose. Ouais, ouais. Ah non, ça, clair. ça, Et je connais pas beaucoup de personnes qui utilisent des QR codes. Hein. Donc là, t'es vraiment dans le futur pour moi. T'es à la fois dans le futur, tu vois, et dans le passé, c'est très étrange. <laughs> bah, en fait, franchement, pareil, les QR codes, moi j'ai découvert ça. Enfin, j'en, ai, j'en entends parler, je les vois, je les vois dans les transports, je les vois à plein d'endroits. Mais j'avais pas vu toutes les possibilités qu'il y avait en fait. Les, les QR codes, on peut faire plein, plein de choses avec. Hein. C'est. Euh... Mmh Tu peux mettre un message, tu peux mettre des liens, tu peux mettre des cartes de visite, tu peux mettre, des, euh, tu peux mettre un code Wi-Fi, tu peux mettre des, des coordonnées GPS, euh, un QR code, il y a plein, plein de choses. C'est euh, yes. ouf. Et Les dates après, là, il y a une idée qui me vient. Tu devrais peut-être euh, essayer de trouver euh, quelqu'un dans ton entourage euh, qui fait du, du design et, et lui, donner, lui donner juste le texte et le concept et lui dire ok comment tu verrais le truc et comment tu le designerais, tu vois. Ça, euh, c'est pour plus tard. Parce que euh, je, pour l'instant, je vais avoir une base saine, pérenne, et ensuite je, passerai, je passerai sur cette partie-là. Parce que si je prends quelqu'un, si je, si je demande à quelqu'un de travailler sur, euh, sur l'un de mes concepts ou un de mes produits, il faut que je la paye. Parce que euh, faut, faut que je la rémunère. Dans le sens, euh, c'est pérenne, je ne peux pas être là comme ça à utiliser les services de quelqu'un en fait. Moi, ce côté-là, je ne peux pas. Là, je peux pas. À ce niveau-là, je ne peux pas. Donc, euh, conceptuellement, je ne peux pas faire. Mais, euh, mais oui, effectivement, ouais, c'est. Euh, ça, pour le coup, ouais, ça, c'est parce que là, moi, je me débrouille. Je, je me débrouille les petites choses. Euh, pareil sur l'Instagram. Euh, Instagram, il est. Voilà, il pourrait être plus beau. On va pas se mentir. Instagram pourrait être plus mm. beau. pareil pour les visuels, c'est vrai. Euh, mais je me débrouille, je fais des choses qui sont. Des choses dont je suis fière, hein, franchement, le set de table, euh, le livre origami, euh, euh, mon conte chanté, euh même mon recueil de poèmes, euh, j'en suis fière. euh mais il y a encore des choses à, oui, à, à améliorer, c'est sûr. Mais ça, après, pour l'instant, euh, je, je peux pas. Enfin, il faut, faut, que je continue une basse scène. Comme on a dit, des cours. Mm. Il y a notamment les cours, les, les, les, les conférences que je souhaite faire. Ça, c'est oui. quelque chose que j'ai envie de développer. Et ensuite, effectivement, je passerai, euh, bah, je prendrai quelqu'un. Euh, enfin, je, vraiment, je, je paierai les services d'une personne, quoi. Et j'ai déjà quelqu'un en tête. Euh, j'ai déjà notamment bah, ah, Audrey. Et euh, ouais, parce que franchement, elle est vraiment forte. Euh, elle a un bel œil euh, artistique, critique. Et euh, ouais, mm. c'est. Il y a de très très grosses chances que ce soit elle que je prenne pour, pour cette autre partie. Quoi. Mais d'abord, je veux poser une basse scène et puis moi-même Euh, vu que je vais dans tous les sens, <laughs> parce qu'il y a ça aussi, hein, je vais vraiment dans tous les sens, d'être bien clair sur ce que je veux et euh, ce qui, euh, comment, je veux comment je vois les choses et, euh, et qu'est-ce que je peux apporter réellement, quelle est ma valeur ajoutée en fait. Voilà, c'est ce côté-là, mm. ma valeur ajoutée et, euh, et comme ça, d'être, d'être au clair et d'avancer quoi. Ouais. Yes, bah, c'est cool, ça veut dire il y a déjà des choses qui arrivent là, c'est cool. <laughs> cool. qui se peaufinent, qui se profilent, on essaye, on essaye, on essaye. Bon. Bah, je suis ravie d'avance et, euh, et, je suis fière de toi. Bravo. Oh, c'est trop gentil, c'est trop gentil. En tout cas, on reste connecté Comme je disais, euh, restez branchés, restez branchés sous Blog tout Donc, euh, restez branchés sur euh, voyageonlocal.blogspot.com. Quelques mots et le voyage commence.